shugaban kasar chadi idris debi etno ya riga mu gidan gaskiya sakamakon rauni da ya samu a fagen yaƙi yayin da yake ba da umarni ga dakarun gwamnati a fafatawa da suke da 'yan tawaye a arewacin kasar mai magana da yawon rundunar sojan kasar janar azam bermondiya a gona ne wannan shelar a lokacin da ke karanta wata sanarwa a kafar talabijin mallakin gwamnatin chadi a wannan talata wannan ya zo ne kwana ɗaya bayan da sakamakon wucin gadi na hukumar zaɓe ta fitar ya bayyana shi debi a matsayin wanda ya lashe zaɓe a karo na shida Shugaba Debi mai shekaru 68 da haihuwa ya yi jin mulki ne a shekarar 1990 shekaru 31 kenan da suka gabata. Tuni dai sojoji suka naɗa ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin Muhammad Idris Debi Itno mai shekaru 37 a matsayin wanda zai ja ragamar mulkin Chadi bayan da suka kafa wata majalisar soje. Shi dai Muhammad Debi janar ne na soje kuma shine ke jagorantar rundunar dakarun ko kuma ce dogaran da ke tsaron fadar shugaban ƙasa. Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui prébiscite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. En effet, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple tchadien, à sa famille biologique et politique, ainsi qu'à tous ceux qui, en Afrique et dans le monde ont une admiration et un attachement pour ce grand homme d'État. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son vaste paradis. Si tous les êtres humains sont appelés à mourir, le décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a une profonde signification pour le Tchad et l'Afrique tout entière pour ses multiples engagements au service du panafricanisme et de la paix. Face à cette situation hautement préoccupante, le peuple tchadien doit montrer son attachement à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale qui sont des valeurs sacrées pour le maréchal du Tchad. À cet égard, un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Aussi, les mesures suivantes sont-elles prises à partir de ce jour Le Conseil militaire de transition garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois. Un deuil national de 14 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire les drapeaux sont mis en berne et des obsèques nationales seront organisées. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un couvre-feu allant de 18h à 5h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre un gouvernement de transition sera mis en place, des nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, suivant l'esprit de, du sacrifice pour lequel le maréchal du Tchad s'est battu durant toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Un appel au dialogue et à la paix est lancé à tous les Tchadiens de l'intérieur comme de l'extérieur pour continuer à construire ensemble le Tchad. Le Conseil militaire de transition rassure le peuple tchadien que toutes les dispositions sont prises pour garantir la paix, la sécurité et l'ordre républicain. Vive la République, vive le Tchad. Pour le Conseil militaire de transition, le président, le général de corps d'armée, Mamad Idriss Déby que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave Je l'ai fait parce que je suis courageux Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. prends des risques. Et je prends des risques pour mon pays. Nous nous défendrons demain, après-demain, pour l'intégrité du territoire, pour l'unité nationale. marigayi field marshal idris dabi itno dan makiyaya ya shafe shekaru talatin ce yana jan zarensa kafin a sanar da mutuwar tasa bayan wani gumurzu da 'yan tawaye a ƙarshen makon da ya gabata shi dai daga kabilar zagawa ya fito kuma a watan agusta na shekarar da ta gabata majalisar dokokin kasar ta girmama shi da mukamin field marshal bayan da ya jagoranci yin fito na fito da masu jihadi da karfin tsiya da suka kashe dakarun kasar akalla ɗari yana matashinsa ne dai idris dabi ya shiga makarantar horas da soja da ke jamaina kafin ya wuce kasar faransa inda ya sami horo wajen tukin jirgin sama da ya dawo a shekara ta 1979 ya sami shiga shiga gwamnatin hisan habri har aka bashi hafsan sojoji bayan shekara ɗaya idris dabi sai ya nuna jarumtaka a yakin da suka yi da 'yan tawaye da ke samun goyon bayan libya a shekara ta 1989 sai suka ɓaɓe da shugaban ƙasar bisa zargin take-taken yin juyin mulki daga nan idris dabe ya tsere zuwa sudan inda ya yi ƙoƙarin haɗa kan 'yan tawaye na patriotic salvation movement wanda suka yi kukan kura suka shiga birnin jamaina har suka kwace iko a shekarar 1990 rundunar sojin kasar chadi ta bakin kakakinta janar azim bamanda oguna ta ayyana dan tsohon shugaban kasar chadi muhammad kaka idris debi a matsayin wanda zai ci gaba da jagorantar kasar wannan na zuwa ne jim kaɗan bayan da janar azim din ya sanar da mutuwar shugaban kasar idris debi mai shekaru 68 wanda ya mutu a fagen daga janar muhammad dai shine kwamanda na biyu da ke yaƙi da 'yan tawayen chadi da kuma rundunar da ke shiga tsakani kan rikicin kasar mali mai shekaru 36 muhammad ya ya kasance na hannun damar mahaifinsa da ake ganin watakila zai taka irin rawar da mahaifin nasa ya taka musamman ta bangaren yaƙi da ta'addanci. har yanzu a kasar ta chadi majalisar soji ta rikon kwariya ta ce za ta shirya zaɓe nan da watanni goma sha takwas masu zuwa biyo bayan mutuwar shugaban kasar idris debi itno da ya shafe sama da shekaru talatin yana jagorantar ta majalisar ta bayyana hakan ne ta cikin wata sanarwa da ta fitar tana mai baiwa al'ummar kasar kwarin gwiwar cewa za ta shirya zaɓe mai cike da adalci bisa doron dimokuraɗiyya kamar dai yadda aka ji a baya majalisar sojin rikon kwaryar ta ayyana dan idris debi muhammad idris a tsaye wanda zai ci gaba da jagorantar kasar dama tun kafin wannan sojoji sun ba da sanarwar rushe majalisun tarayyar kasar le décès du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a une profonde signification pour le Tchad et l'Afrique tout entière pour ses multiples engagements au service du panafricanisme Assalamu alaikum masu kallon sauraron Ni ne na ku zurkan lai misali. Nin ba adalci yawa da wanda gidan namu subscribe kai hakuri gidan namu wannan alama na subscribe da kararrawa ta yadda zarar irin shirye-shiryen za su zo cikin sauki kar ku manta da mana wannan alama ta like domin ta haka ne za mu san kuna shiga shirye-shiryen mu yadda ya kamata mun gode